Monsieur le Président, bonjour, Thierno Diallo, cher Sibla, cher Val. au Sénégal, tout le monde le sait, hein, c'est pas la peine oui. C'est sur ça. Quelle est votre réaction Oui, tout à fait. Je pense que euh, la réaction de Macky Sall a surpris plus d'un. Euh, parce qu'après multiples promesses pendant la campagne électorale qu'il a conduit à la magistrature suprême, il avait pris, après son installation à la tête du Sénégal, l'engagement au Sénégal et partout dans le monde euh, je ne vois pas comment <clears throat> il pourrait être lié par un, avis euh, du Conseil constitutionnel, alors que quand tout récemment, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant les, euh, maîtres, les élèves maîtres, il a fait fi de cette décision de la Cour suprême qui est au-dessus du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il veut faire valoir l'avis du Conseil constitutionnel pour faire un mandat de 7 ans. Je pense qu'il est coutumier des faits. Après euh, donc l'avis qui a été rendu par la CDAO sur l'affaire Karim Wad, euh, le président Macky Sall et son régime avaient à l'époque aussi fait fi de cette décision. C'est comme aussi euh, l'arrêt qui a été pris par le groupe de contact des Nations Unies sur le même cas également. Et aujourd'hui, euh, bizarrement, euh, il tient compte d'un avis du Conseil constitutionnel pour euh, valider ces sept ans. je crois qu'il a trahi le Sénégal, il a trahi les Sénégalais et en conséquence, je crois que l'avenir nous montrera que le président Macky Sall a trahi les Sénégalais parce qu'il va être sanctionné déjà en 2007 pendant les législatives qui vont se dérouler. Vous voulez dire qu'il suit, l'avis du Conseil constitutionnel selon ses intérêts Bien sûr, selon, ses intérêts. Euh, en tout cas, pour les Sénégalais, euh, le référendum n'a plus son sens, n'a plus de substance parce que ce qui intéressait euh, les Sénégalais dans, les, dans, la révision constitutionnelle qui va être sanctionnée par un référendum, c'était surtout la diminution du mandat en cours. Dès lors que ce mandat n'est plus concerné, je pense que aujourd'hui, les Sénégalais n'ont plus d'intérêt à aller voter ce référendum. Concrètement, beaucoup Gis appellent qu'il a voté oui ou non mais pas du tout. Beaucoup Gis Gis, peut-être la décision va être prise par euh, les instances supérieures du parti, mais à mon avis, je pense que le parti a déjà pris euh, la décision de ne pas participer à ce référendum parce que euh, un comité directeur s'est tenu pendant mon absence et donc euh, l'instance s'est prononcée par rapport à ça. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui dans vos stratégies par rapport à la présidentielle Rien du tout. Je pense que cela... Sous non, pas du tout. Euh, cela va nous permettre, surtout nous, opposition sénégalaise, de nous regrouper parce que nous nous étions dit déjà que si Macky Sall se dédise de, son, euh, de sa promesse, euh, ne respecte pas sa promesse, en tout cas, nous prendrons les dispositions en tant qu'opposition sénégalaise d'aller ensemble euh, aux élections législatives. Donc, il nous facilite aujourd'hui une tâche, parce que si la présidentielle était là, certains seraient tentés de présenter un candidat et d'aller seul aux législatives. Et donc, une liste unique peut-être ne pourrait pas se faire. Mais aujourd'hui, Macky Sall nous euh, facilite euh, la tâche en nous permettant euh, d'élargir la base de, cette, déjà, de, ce, cadre de, l'opposition, de l'élargir et de pouvoir aller ensemble aux législatives et de le battre pour installer une cohabitation pour une première en Afrique, nous le souhaitons. Pour vous, quelles sont pour vous les conséquences de la décision de Macky Sall sur l'image du Sénégal. Mm-hmm. Mais vous voyez, <laughs> il a terminé l'image de, notre pays parce que il, était venu ici en France devant le, le, perron de l'Élysée, a fait euh, cette promesse-là aux États-Unis, partout dans le monde. Et je, je, je, crois que Macky Sall a raté euh, la cour des grands. Parce que tout le monde l'attendait à ce tournant. Malheureusement, il a raté euh, son entrée dans la cour des grands. Il aurait pu rentrer dans l'histoire du monde en diminuant son mandat parce que ça allait être une première dans le monde. Malheureusement, il n'a pas cette hauteur pour comprendre l'enjeu de la diminution de ce mandat, malheureusement pour lui, et pour ses amis. En même temps, ça aurait été une première dans l'histoire mondiale, la démocratie mondiale, si Macky Sall ne suivait pas euh, l'avis du Conseil constitutionnel par rapport à la diminution de son mandat. Non, pas du tout. premièrement, le président de la République aurait dû se passer de l'avis du Conseil constitutionnel et pourrait directement soumettre euh, euh, sa révision en référendum. Il pourrait le faire. Et le Conseil constitutionnel n'a pas rendu un arrêt c'est un avis, c'est différent. C'est différent. Ce n'était pas une affaire contentieuse. Alors il a tout simplement demandé un avis. Pour lui, il voulait se servir de cet alibi pour faire ses sept ans. Mais en vérité, si vous avez suivi le développement depuis bientôt deux ans, la réaction de tous les responsables de l'APER et même de lui-même, quelquefois d'une manière voilée, tout le monde savait que le président Macky Sall et son camp voulaient faire ces sept ans. Donc il a voulu tout simplement habiller eh, son, sa décision par un avis et c'est ce qu'il a fait, mais il n'a pas trompé le peuple sénégalais. Il s'est trompé lui-même parce que tout le monde l'attendait là et il est tombé dans ce trou. Après coup, qu'est-ce qui est le plus euh, grave selon vous, ou bien déplorable en tout cas, à vos yeux C'est le fait d'avoir promis au peuple sénégalais quelque chose qu'il ne pourrait pas tenir ou bien c'est le fait de, de, suivre, de se réfugier de la, vie Vous savez, nous sommes africains. Euh, euh, nous, nous, avons euh, des habitudes en Afrique et nous donnons une importance à la parole donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, la plus haute institution incarnée par Macky Sall a trahi euh, en euh, faisant fi euh, des, valeurs africaines et sénégalaises. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Dans le Sénégal des profondeurs, le Sénégalais lambda, aujourd'hui, qui avait entendu le président Macky Sall, et tout à l'heure on me faisait part dans le net d'une vidéo du président Nias qui affirmait avec force que le prochain président allait faire 5 ans, et qui se rabaisse aussi à un tel niveau, euh, nous comprenons que nos dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur dans tous les domaines. Merci. Deux mots en voilà, président. Deux secondes, là. Ah, il va pas dans son équipe aussi. Hein. actuellement au Sénégal, malheureusement, il y a une brèche. L'un de commentaire du dernier développement. Euh, sama commentaire mooy am mbetteel comme ni Sénégal yëpp amee mbetteel ci mbir mi xew ndaxte président Macky Sall bi mu nekkee candidat daf ko wax ba ñëpp jàpp ko certainement y a beaucoup de Sénégalais yu ko woteel à cause de ça mu nekk président de la République wër àddina bi ba ñu bëri gëmoon nañu lu muy wax malheureusement euh, naxaate la woon euh, boobu ba tey gis ngeen développement bi Euh, bu waxé li mom bu génnee euh, tous les responsables de paire wax leneen ñun ñi politique xam nga ni duma nek président yor parti ma wax dara génn ëllëg caam wax le contraire c'est parce que dañu ci d'accord mënu la plupart des responsables ku guen da nga lan président bi 7 ans lay def ñun d'accord ñu ci alors que bu buy wax officiellement oui dina def euh, dina wañi mandat bi lay wax lolu vraiment nit ñi am nañ ci mbettel bu rëy euh maintenant je euh, batay mi ngi wut num koy koy euh avis bi nga conseil constitutionnel joxé avis le, parce que du une affaire contentieuse parce que du arrêt le xamni conseil constitutionnel daf ko rendre L'arté mom buñuy xol ça, euh, respectez vous la justice bi mi ngi wax ni justice la respectée, mais respectez vous parce que tout dernièrement cour suprême dafa rendre avis euh, dafa dafa une décision de justice concernant les maîtres euh, élèves élèves maîtres mais Macky Sall la foulé au pied alors lolu yagoul alors tu nga ñëw té koku au-dessus du conseil constitutionnel donc bu waxé ni dafa am respect ci justice motax mu jël avis euh, conseil constitutionnel doxal ko ken d'accordu ci kenn d'accordu ci lolu la def kon ñun d'accordu ñu ci Sénégal aussi ñi ci ëpp d'accordu ñu ci malheureusement malheureusement euh, euh, comme ni nga waxé légui image de marque Sénégal lay ternir parce que adina bi dañ nan ah cham ndeketi sénégalais yi lu ñu wax du dëgg mën nañ ci gënaat parce que bu ko institution bi gëna kawé euh, waxé jël engagement téggiko habillé ko mais ñi muy waxal France wala États-Unis ñoo la gëna xam luy avis bobu du dara du avis parce que du du du won affaire contentieuse euh, kon yakarna ni Macky Sall def il a trahi le peuple sénégalais. Mmh. il a trahi et en conséquence je crois que. il sera sanctionné euh, lors des législatives à venir. Dernière question, moi, lan a une position du référendum est-ce qu'il y a une votée oui ou non. référendum bi amatul objet parce que substance ou référendum bi donne euh, diminution du mandat en cours Lolo taxone mu am emballement de la part des sénégalais mais dès l'instant que lolo amatu ci je pense que amatul vraiment euh, objet bo xamni dinañu engager man damay diriger parti bo de démocratie

man eh, sama parti désigné mon nañ ma comme candidat té bu baba man na am liste bitam liste su bokk gis-gis lay doon euh, eh, PDS man nako def kenen man nako def mais ñun dans l'opposition le cadre de l'opposition composé par bokk gis-gis PDS Rewmi Andi eh, FSDBJ, UCS dañu waxone dañu wax solennellement quelle que soit la situation bu fekkee ni élection yi Macky Sall daf ko yóbbu 2019 nuñu buñ de ñun duñu xoolati suñu intérêt nañu xool intérêt Sénégal ànd nek ben balayé ko mu dem voilà lu ñu donc faciliter nañu faciliter nañu tâche boobu moom euh, loolu la def euh, defee na ni nag moom parce qu'il a fait un calcul aussi Bon, le <laughs> bëgguma wax devant le micro <laughs> mais vais ko voir ultérieurement Moi, je calcule la def parce que euh, euh, il savait que parti comme le parti socialiste ne pouvait ne pas présenter un candidat à la présidence. et si tel était le cas également ne pouvait pas faire alliance avec la paire au législative. il pense que maintenant il pourra faire alliance avec le PS malgré tout le régime actuel sera battu aux législatives. Deuxième fois, président. Merci.